DGID impôt yi naatal réew foog ñëpp contribuer ñoo bokk suñu Sénégal foog ñëpp cotiser mission wu DGID mooy njëkk solidarité mission wu DGID pour Assalamu alaikum. Boki dal leen jam rubrique sud fiscalité sud fm Sen Radio. En seek waa DGID di DGID de dégtal ñaari ci ay bés yu nekk euh, dalal di Mamadou inspecteur principal des impôts des domaines Nek chef du bureau de contrôle spécialisé numéro 3 Yorwalup bâtiment travaux publics euh, secteur immobilier ak régime euh, dérogatoire ci DGID monsieur Mamadou Aofal, nous ñu ngi lay nuyu soxna auditeur Sud FM yëpp. tey jii ñuy contrôle fiscal ndax mën nga wax suñuy auditeurs lan mooy contrôle fiscal ak lu tax ñu war contrôler. contrôle fiscal moi, beaucoup de droit bu jox Sénégal pour mu di saytu déclaration impôts yi ak entreprise yi ñuy fay ci bureau yi dañ jox droit waa administration pour ñu dem diko saytu ndax ñing koy def correctement. pourquoi ñuy contrôler ndax boy xol Sénégal. sun wàllu impôt dafa basé ci confiance ça veut dire que nit ki mooy bàyyi ba weer wi dee wala at mi jot dee mu ñëw ni la man de lii laa gañe bu ko defee ñun dañuy jël impôt bi rek ci ay waxam waaye nag nit loo ko wóolu wóolu du tee ngay saytu bu baax di xool ndax li muy wax am na ndax mën na wax wàññi mën na wax aussi fekk bi muy wax dafa juum moo tax ñuy dem di saytu ndax li ñuy ñëw di ñu ko wax ñu ci jël impôt bi méngoo na ak dëgg-dëgg li am. yan façon wi euh, contrôle moom moo am. waaw ñun boo xoolee fii ñaari contrôle lañuy faral di def contrôle bu njëkk bi mooy euh, comme impôt yi dañuy ñëw di ko fay di ñu jox déclaration yi. ñoom li ñu indil ci bureau yi mën nañ toog ci biro yi saytu ko gis ni am na ay rëkk-rëkk bu ko defee ñu rectifier ko loolu mooy contrôle sur bureau duñ bouger suñ bureau la ñuy toog daal di saytu euh, këyit yi ak déclaration yi beneen contrôle bi nag dañuy suñ équipe yi dañuy dem ba ci biir entreprise bi def fa ay fan mën na ne ay weer xool seen comptabilité bi xool seen déclaration yi xool seen organisation xool seen lépp pour xool ndax li ñuy ñëw di ñu ko dégtal méngoo na ak liñ fekk ci sur place léegi bu amee aussi ay rëkk-rëkkit léegi ñu rectifier ko waa ñaari contrôle yooyu la ñuy faral di def. léegi euh, ndax am na ay garantie yoo xamante ne jagleel nañ ko ñi di waay jëfandiku yi. waaw am na ay garantie yu bari parce que comme contrôle bi dañuy saytu dinañ leen wax ni ñu ngi saytu seen i kayit ñoom aussi dina ni leen comme mbirum impôt dafa xaw a ñu wax leen ñu dem wut ñu jàng impôt ñu ñëw teewal leen di leen xoolal ndax li leen administration di jiiñ am na dinañ leen aussi permettre lépp luñ gis duñ ko nëbb dinañ ko waxtaan ak ñoom ñu joxe ci seen xalaat ba xam liñ leen di jiiñ am na am déet. ndax am na ay euh, recours yoo xamante ne taxawal nañ ko ci wàllum euh, contrôle yooyu la. waaw wàllu contrôle yooyu am na ay recours ndax comme ay équipe ñooy dem di def liggéey bi may nan entreprise bi bu fekkee liñ ko jaarul yoon. mu wax ak suñ kilifa gu mag gi nekk fii di directeur général des impôts léegi directeur bi dina ñëw àtte suñ diggante entreprise bi ak ndaw yi nga xam ni ñooy dem ci terrain bi bu fekkee ñun dañoo juum directeur bi annuler impôts yi bu fekkee ñun ñoo nekk ci dëgg directeur bi day ànd ak ñun waaye même moom sax bu directeur bi àndeek ñun am na droit ni man ànduma ak yéen ñi doon def liggéey bi ànduma ak seen kilifa aussi daal di dem tribunal dem yóbbu mbir mi tribunal magistrat yi àtte ko boobu mooy recours juridictionnel waaye nag bala ngay mën a dem tribunal il faut nga boole kilifa gi ba pare c'est-à-dire mënoo fee jéggi kilifa gi dem di boole tribunal te kilifa gi àttewul ba pare moo tax ñu ni recours bi ngay def ci suñ kilifa gu mag gi préalable maanaam moo war a jiitu euh, boole gi ngay boole ji tribunal. Mamadou Awa Fall ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi leen inspecteur principal des impôts et domaines nekk chef bureau contrôle spécialisé numéro 3 yor bâtiment travaux publics secteur immobilier ak régime euh, dérogatoire mbokki fi la di jox euh, dig booloo day suuxat réew yaatal nañ natt gi teggi nañ yokkute DGID régulariser suuf yi yombal leen këyitu kër yi lépp mën a dox ci réew mi DGID impôt yi naatal réew foog ñëpp contribuer ñoo bokk suñu Sénégal foog ñëpp cotiser mission wu DGID mooy njëkk solidarité Mission de DGID pour BEP sénégalais. fay leen po day suuxat y a yaatal nañ natt gi teggi nañ yokkute DGID régulariser suuf yi yombal leen këyitu kër yi lépp mën a dox ci réew mi DGID impôt yi naatal réew foog ñëpp contribuer ñoo bokk suñu Sénégal foog ñëpp cotiser mission wu DGID mooy njëkk solidarité mission wu DGID pour bépp Sénégalais Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue dans Sud Fiscalité, votre rubrique que vous propose Sud FM en partenariat avec euh, la DGD. Alors aujourd'hui, nous recevons euh, Mamadou Awafal, inspecteur principal des impôts et domaines, chef du bureau de contrôle spécialisé numéro 3, chargé du secteur des bâtiments, travaux publics, du secteur immobilier et du régime dérogatoire. C'est pour euh, parler du contrôle fiscal. Bonjour, monsieur Fall. Bonjour, madame, bonjour à l'ensemble des auditeurs de la CIDFM. Qu'est-ce que euh, le droit de contrôle et pourquoi euh, le contrôle Le droit de contrôle, c'est un droit conféré aux agents de l'administration fiscale qui consiste à vérifier l'exactitude des déclarations souscrites par les assujettis en vue de la perception des impôts et taxes et redevances. Pourquoi le contrôle fiscal parce que le système fiscal sénégalais s'appuie sur la confiance. C'est-à-dire la collecte de l'impôt repose pour une large part sur le système déclaratif. Ce qui signifie que les contribuables, sous leur propre responsabilité et souvent les dispositions du Code général des impôts, souscrivent périodiquement des déclarations devant servir à la liquidation de leur dette fiscale. Dans ce système, le contribuable est amené à calculer lui-même la base de son imposition et dans certains cas le montant de l'impôt dont il est redevable. Ce système met entre les mains du contribuable une responsabilité d'autant plus lourde que la compréhension des règles fiscales n'est pas aisée, même pour les professionnels de la fiscalité. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est ainsi que l'administration à ce droit pour vérifier est-ce que les déclarations effectuées par les contribuables sont conformes à la réalité de l'entreprise. La confiance euh, n'exclut pas le contrôle. Alors, quels sont les types de contrôle Voilà, nous avons plusieurs types de contrôle parce que le contrôle peut revêtir plusieurs formes, allant d'une simple vigilance à partir du bureau au déplacement sur le terrain. En effet, l'environnement juridique du contrôle est différent suivant qu'il s'agit de simples contrôles de routine de cabinet, c'est-à-dire les contrôles sur pièce, ou les contrôles aux enjeux importants comme la vérification de comptabilité ou l'examen de situation fiscale personnelle des particuliers. Alors y a-t-il des garanties accordées aux contribuables Voilà, il y a plusieurs garanties accordées aux contribuables. D'abord pour le contrôle il faut aviser euh, le contribuable du type de contrôle. Il faut permettre au contribuable d'être assisté par un ou deux conseils au choix. On permet aussi aux contribuables de discuter, c'est ce qu'on appelle le débat oral contradictoire, ça veut dire que tous les manquements sont discutés en entreprise pour permettre aux contribuables d'apporter les justificatifs et pour permettre aux contribuables aussi de se défendre par rapport aux incohérences constatées par l'administration fiscale. Euh, quels sont les recours euh, prévus en matière de contrôle Bon, en matière de contrôle, il y a deux types de recours. Il y a d'abord le recours administratif. Euh, si le contribuable n'est pas en phase avec les constatations des vérificateurs, l'entreprise a la possibilité de saisir le directeur général des impôts et domaines, donc pour arbitrage. Et c'est ça qu'on appelle le recours administratif. Le DG peut sortir une décision donc pour arbitrer entre le contribuable et donc les services de l'administration. C'est ça le recours donc administratif. On a un second recours qui est le recours juridictionnel, c'est-à-dire à chaque fois que le directeur général et en phase avec euh, ses équipes, le contribuable aussi a la possibilité d'aller saisir le tribunal donc pour un arbitrage. C'est ça qu'on appelle donc le recours juridictionnel. Mais il faut noter quand même, avant d'engager une procédure au tribunal, il faut d'abord épuiser donc le recours administratif. Le recours administratif est un préalable avant d'aller au tribunal. Merci beaucoup Mamadou Awafal. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous êtes inspecteur principal des impôts et domaines, chef du bureau de contrôle et spécialisé numéro 3, chargé du secteur bâtiment, travaux euh, publics, euh, du secteur immobilier et du régime dérogatoire. C'en est tout, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours. l'impôt des yaatal nañ natt gi teggi nañ yokkute DGID régulariser suuf yi yombal leen këyitu kër yi lépp mën a dox ci réew mi DGID impôt yi naatal réew foog ñëpp contribuer ñoo bokk suñu Sénégal foog ñëpp cotiser mission wu DGID mooy njëkk solidarité mission wu DGID pour bépp sénégalais. Un redressement fiscal est une opération dirigée par l'administration fiscale afin de rectifier la base d'imposition d'un contribuable. Elle vise à corriger toute insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments déclarés. Ces redressements ne peuvent-ils pas compromettre la survie des unités économiques Voyons cela avec Dr Abdoulaye Ning. Monsieur Kassé, le système fiscal sénégalais est un système déclaratif. Cela veut dire que les les contribuables les déclarations sont teintées d'une présomption de véracité. Mais cette présomption, elle est simple, elle n'est pas irréfragable. Cela veut dire que tout ce que le contribuable déclare, l'administration est obligée de recevoir sa déclaration. Maintenant, le contribuable peut même avoir un quitus fiscal, avoir ses reçus, etc. Mais il n'en demeure pas moins que le, que le système déclaratif est subordonné à la possibilité pour l'administration de vérifier l'exactitude ou pas de la déclaration de ces contribuables-là. Et cette procédure est enfermée même dans une séquence temporelle réduite parce que le délai de reprise est de 4 ans. Et c'est une procédure contradictoire. Maintenant, cette procédure contradictoire, cela veut dire que le service d'assiette ou de vérification qui envoie la notification de redressement, le contribuable dispose d'un délai pour contester. Et même ce contribuable, en cas de persistance des désaccords, peut saisir le directeur général, le ministre des Finances ou même le juge. Maintenant, à la suite de ces, de ces différentes phases, si les redressements sont confirmés, les titres de perception émis pourront faire l'objet d'un recouvrement. Maintenant, le recouvrement même de ces titres de perception, l'administration a aménagé par un dispositif d'assouplissement pour, effectivement sauvegarder la survie de ces unités économiques. C'est pourquoi même les comptes peuvent euh, faire un acompte et disposer d'un plan de moratoire et, même en cas de, de difficultés persistantes, solliciter une remise gracieuse. Donc le redressement fiscal, encore une fois de plus, n'est pas ne, porte, ne, peut pas porter atteinte à la, à la, survie des unités économiques, mais au contraire, c'est un moyen simplement dont nous disposons, l'administration fiscale dispose, pour pouvoir procéder à la vérification des déclarations des contribuables. Docteur Abdelagning, merci. Je rappelle que vous êtes inspecteur principal des impôts et des domaines, chef de bureau de la stratégie et de la modernisation à la direction générale des impôts et des domaines. E-Business, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Mme Abdou Kassé était à la présentation, à la partie technique Maxime Sen. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure dans Dakar Direct.